Sénégalais qui ont fait des passages à, l'Olympique de Marseille. On, peut citer Momodounia, on peut citer Souleymane Diawara, on peut citer Habib Bey. Donc il y a pas mal de joueurs sénégalais qui ont fait des passages, passage lan nga tu peux a wax. ki may tàmbale mooy seen mag. Mhm. mooy Boubacar Sarr Lokot. Boubacar Sarr Lokot. Bouba suma waay la maa ngi mujj tase moom Dakar ci bi ñuy rob El Hadj Goudia bi di choses. Plinchu uh-huh. un ancien jour où Diop uh-huh. et là il s'est de à uh-huh. keroog ndeysaan buuba ñun ñoo Bouba Plinchu ba jënc ko ñu Bouba c'était un ami Bouba est venu à Marseille en 1976 Bouba a été l'un des premiers Sénégalais à soulever la Coupe de France lors de la finale l'Olympique de Marseille contre l'Olympique lyonnais. Uh-huh. Bouba a marqué le troisième but de la victoire. Uh-huh. Marseille avait battu l'Olympique lyonnais et Bouba a été le premier Sénégalais qui a soulevé un trophée avec l'Olympique de Marseille. Uh-huh. Il a fait de beaux jours à Marseille. Il est parti deux fois. Il est revenu. C'est Bouba Karsar et Abdoulaye Diallo qui ont fait monter l'Olympique de Marseille en première division. Mais Marseille pendant cinq ans Marseille était de 77 à 82 83 Marseille était en deuxième division il faut pas que les gens l'oublient mhm. la saison 82 83 Boubacar Sarr est revenu quand il est revenu Abdoulaye Diallo qui était un jeune footballeur bu à Pékin dans l'équipe des Nyo, il a ñoo Marseille en première division. Uh-huh. Après, Bouba est parti. Uh-huh. Il a laissé Diallo, jeune joueur, continuer. Uh-huh. Ablaï Diallo est resté presque 5 ou 6 ans. Le joueurs sénégalais sont passés. Pape Fall est arrivé à Marseille. Il a joué une saison. Il est parti. Après, il y avait le vide. Mais les joueurs sénégalais, ni Barinou. Les Mamoudou les Habib Bey, les Souleymane Diawara, ils ay binationaux Ils ont France la ñu buñ fa juddoowul sax fa la ñu yaroo. Uh-huh. ils n'ont jamais joué uh-huh. dans le championnat du Sénégal. Uh-huh. ñoom dama leen di jox beneen beneen spécificité bokkul ak joueur boo xam ne. fii la jógee dem foofu fii la jógee ñu ràññee woon ko fi. mu jógee fi toj fii dem continuer barewul. mais tey jii benn joueur nag moo gën marqué Marseille muy Mamadou Niang qui a été champion de France uh-huh. avec l'Olympique de Marseille, uh-huh. qui a gagné plusieurs Coupes de la Ligue uh-huh. avec l'Olympique de Marseille. Donc Mamadou Nion, Souleymane Diawara, ils ont gagné des titres avec l'Olympique de Marseille. Abibé n'a pas eu cette chance. Abibé a fait quelques années à Marseille. Donc quand même, Marseille et le Sénégal, c'est une vieille et longue histoire. Uh-huh. Ces joueurs-là étaient des joueurs qui étaient connus, qui jouaient en équipe nationale du Sénégal, qui ont fait nous, bon, de belles choses dans le football. Marseille et le Sénégal, c'est ça, jusqu'à que Pape Diouf que le premier président uh-huh. de Sénégalais d'un club uh-huh. en France, n'est que sénégalais, le club B, nous avons fait bi club déficitaire quand Pape Diouf est parti il a laissé dans la caisse nous vraiment un actif de plus de 40 millions d'euros Il comme bénéfice. Mhm. donc Pape Diouf est parti la tête haute. ah oui il a laissé 40 millions d'euros. 40 millions d'euros il est venu il a épongé toutes les dettes il a quand même assaini le club il a amené de l'ordre à la maison. Mhm. et c'est quand il est parti l'année suivante c'est Pape Diouf qui a recruté des champs. Mhm dit Deschamps. Mhm. Mais après, les circonstances ont fait qu'ils n'ont pas pu travailler. C'est Deschamps qui a été champion de France mhm. avec l'Olympique de Marseille. Mhm. Donc tout le travail qui a été fait, tous les jours recrutés, et la voie, c'est duf qui l'a tracé. Et Deschamps est venu, il a appliqué, et Marseille était devenu champion de France après plusieurs années de disette. Donc ça, mis titre Bobo, Pape Diouf participer. par ni Ligueye, Deschamps accompagne équipe Momodou Mamadou capitaine. n'est qu'un joueur énigmatique à Marseille qui a gagné plusieurs titres donc Marseille les Sénégalais ont marqué leur empreinte dans cette ville.